Il est 18h15 en Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios euh, dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème Sabre national ou lutte traditionnelle au Niger, combat truqué, problèmes d'arbitrage, dopage, comment améliorer les éditions à venir. Le sabre national ou le championnat national de lutte traditionnelle est le sport le plus suivi par les Nigériens de tout âge. C'est une pratique sportive dont l'origine remonte dans la nuit des temps et qui est organisée à la fin des récoltes pour célébrer la bonne saison des pluies. La 44e édition du sabre national pour rappel, s'est déroulée du 22 au 31 décembre 2023 à Agadez. Elle a vu le sacre du lutteur Kadri Abdoudi Isaka Isaka Dedosso, qui a ainsi remporté son sixième sabre, dont trois consécutifs 2015, 2016, 2019, 2021, 2022, 2023. De nos jours, plusieurs pratiques freinent encore le développement et le rayonnement de la lutte traditionnelle au Niger. Parmi celles-ci, on peut citer les combats truqués, le problème d'arbitrage ou encore le dopage. La Fédération nigérienne de lutte traditionnelle dispose à son sein d'une commission de lutte contre les combats truqués. Elle joue le rôle de régulateur en décelant les lutteurs qui trichent pendant les combats. Étant un sport réglementé, mais force est de constater que le plus souvent, l'arbitrage est fortement décrié et contesté à l'issue de certains combats. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le développement de ce sport roi qui a comme objectif la promotion des valeurs de l'unité nationale. Avec nos invités, nous allons faire un état de lieu des combats truqués, le problème d'arbitrage et le dopage avant de formuler des recommandations tendant à améliorer pour les éditions à venir. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Adam Soumana, directeur technique nationale de la lutte euh, traditionnelle à la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle euh, lutte. Bonsoir Adam. Ah, bonsoir Michel. Yannick Ousmane Keita, journaliste sportif, euh, consultant et spécialiste de la lutte traditionnelle. Bonsoir Yannick. Bonsoir Mokhtar. Et Abdelaziz Issaka, journaliste sportif à la RTN, la radio-télévision du Niger. Bonsoir Abdelaziz. Bonsoir Mokhtar, merci de l'invitation. Au microphone, je suis Mokhtar Hamadou. Avant de rentrer dans le vif du sujet, suivons d'abord les réactions de quelques fans de la lutte traditionnelle interrogés à Bernin-Koni. Évidemment, on remarque certaines choses vraiment défavorables parce que tu vas voir que parmi les adversaires, des fois, quand il n'est pas aimé, surtout dans la région où la lutte s'effectue, s'il arrive à terrasser un adversaire, maintenant on dit que non, c'est à côté de, des sacs de sable là. c'est pas bien fait, ils n'ont qu'à recommencer est ce que des fois par malchance, celui-là qui a terrassé pour la première fois le terrasse en retour ou bien par chance qu'il terrasse encore l'autre. C'est vrai, c'est la chance où les gens vont, crier de joie, mais au fond d'eux, ils vont sentir quelque chose parce qu'ils vont dire la première fois même il l'a terrassé. Mais l'arbitre, il a, les gens aussi n'étaient pas d'accord. Il a fait en sorte que les deux hommes-là reprennent le combat. Ceux-là qui prennent de la drogue franchement, chez moi, je me dis qu'ils n'ont pas leur place pour pratiquer la lutte lors d'un combat. comment quelqu'un qui a consommé de la drogue peut lutter ou bien peut combattre avec celui-là qui n'a rien pris C'est un autre aspect. Alors que ton adversaire, lui, il est juste humain. Mais toi, tu as pris de la drogue. Du coup, au niveau de la force, tu vas le surpasser. La lutte traditionnelle, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La lutte euh, d'avant, c'est pas comme la lutte traditionnelle d'aujourd'hui. Parce qu'avant la lutte traditionnelle, vraiment, les lutteurs n'ont pas un esprit ailleurs. Ils jouent avec sincérité et avec leur force physique, sans corruption. Et encore la drogue qui joue son rôle avec les lutteurs. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que la lutte d'aujourd'hui a perdu sa tradition. Et vraiment, je lance un appel à nos lutteurs et à nos arbitres de pouvoir garder leur dignité. Revenons à notre tradition. De nos jours, la lutte traditionnelle est en train de perdre sa valeur. Les stratégies de combat utilisées autrefois pour combattre ou terrasser l'adversaire sont remplacées par des produits toxiques qui nuisent gravement à la santé. Les combats sont truqués. Les lutteurs cèdent volontairement leur victoire à leur adversaire. La mauvaise gestion des arbitres. La victoire acquise autrefois à la loyale par les lutteurs Autant de, de nos grands-parents est aujourd'hui transformée et acquise par la corruption et l'égoïsme. Vous venez là d'écouter euh, les quelques réactions des femmes euh, fans de ce sport roi au Niger, interrogées à Benukoni. Monsieur le directeur technique national euh, de la lutte traditionnelle, Adam Soumana, vous avez quelques réactions Merci, monsieur Mokhtar, de m'avoir donné la parole pour que je puisse m'exprimer par rapport à cette histoire de dopage de lutteurs. De combat truqué, d'erreur d'arbitrage. Bon, vous savez, nous sommes des humains. Et c'est des humains qui conduisent tout ce que les uns et les autres sont en train de dire par-ci par-là comme réaction. L'être humain, il sait qu'il est. Nous ne pouvons pas travailler sans faire des erreurs souvent. Je, je le concède. Mais il faut reconnaître que ces temps-ci, là, nous parlons de lutte traditionnelle. L'aspect traditionnel de la lutte ne permet pas à des lutteurs dépendent des substances qui malheureusement nous rencontrons euh, à différents sabres là de certaines réactions, certains comportements des lutteurs qui nous inquiètent. Et la lutte traditionnelle, elle est traditionnelle, elle doit rester traditionnelle. Mais malheureusement, avec les jeunes de Ménala qui sont en train d'émerger dans nos différentes régions et qui participent au niveau du sabre, nous constatons malheureusement certaines réactions physiques, certains comportements physiques qui ne sont pas normaux et qui tendent à dire que euh, malheureusement certains parmi eux effectivement et ces regrettables sont en train de consommer prendre des spécifiques pour, pour venir combattre dans l'arrêt de combat. Vous l'avez vu récemment à Agadez, nous sommes avec euh, l'antidopage. Une commission. Une commission qui est avec nous. Nous avions fait à plusieurs reprises de communiquer et nous sommes même partis jusqu'à prendre le nom de quelques lutteurs pour aller les examiner. Et nous avons ouvert euh, la voie et nous avons interpellé les, les ligues et les entraîneurs régionaux pour leur dire que désormais, la commission va faire son travail effectif au niveau du sable national prochain et que nous allons mettre tous les moyens au niveau de la fédération et du ministère. Déjà, un papier est parti la, semaine passée au niveau, a euh, quitté la fédération pour aller au niveau du ministère par rapport à l'installation d'une équipe spéciale au niveau du sable prochain à Dosso, si Dieu nous prête longue vie. Donc, il faut que les gens fassent attention il faut que les gens fassent euh, de la sensibilisation au niveau des, de l'agriculteur à leur sein au niveau des régions, avant même la sélection ou avant de prétendre sélectionner des jeunes pour les amener au niveau du sable. Parce que nous n'allons pas accepter de continuer dans ces conditions-là qui va malheureusement complètement en déphasage euh, de la lutte traditionnelle. Donc il faudra que nous prenions des dispositions et des sanctions adéquates pour que cela puisse euh, s'arrêter et que maintenant nous puissions reporter sur de bonnes normes. Merci beaucoup, monsieur le directeur technique national Adam Soumana. Abdelaziz Issaka, journaliste sportif, allez-y. Oui, monsieur Mortin, merci encore une fois de l'invitation. Merci également de nous permettre de réagir à la suite euh, des intervenants euh, que nous avons écoutés tout à l'heure qui ont dénoncé des problèmes. Et je pense que c'est légitime. Hein. Ce sport, nous l'aimons tous et ces problèmes-là, nous les constatons également. Sauf que ces trois problèmes qui ont des raisons et des conséquences différentes qui ont des impacts différents sur la bonne tenue des compétitions, mais pour, euh, sur le développement également de la discipline de la lutte. Pour euh, prendre par exemple euh, parler du dopage, c'est la conséquence du problème social que nous vivons. C'est la jeunesse aujourd'hui euh, nigérienne et consomme beaucoup les stupéfiants, malheureusement. On constate cela en milieu scolaire. à travers les, chicha, chichas. À travers les chichas, mais à travers d'autres produits, notamment les tramadol, la drogue même. L'information, l'actualité nous euh, euh, ramène régulièrement des saisies de drogue, des saisies de stupéfiants ah dans nos régions. Dans, toutes, les huit régions toutes On peut penser que c'est la modernisation qui a amené cette, cette action qui va à l'encontre de nos valeurs traditionnelles et sociétales. Malheureusement, on se rend compte que c'est un problème qui va au-delà parce que même dans les zones rurales, la consommation des stupéfiants est là. Ça se constate. C'est devenu comme naturel chez les jeunes. Donc malheureusement, on va sentir que euh, les athlètes aussi, euh, qui sont des jeunes, vont euh, de plus en plus consommer ces stupéfiants-là. D'une part. D'autre part, ah, on amène, d'accord. D'autre part, on amène des athlètes à compétir des athlètes qui n'ont pas été bien formés, qui n'ont pas réussi suffisamment de compétition, qui ne sont pas physiquement prêts à affronter les défis physiques que la compétition leur impose. Donc, naturellement, ils sont tentés de mettre un peu de tricherie pour arriver quand même à, à donner des résultats satisfaisants, non seulement pour la région, mais pour leur équipe, pour leur écurie. Ça, c'est le problème du dopage. C'est des raisons qui amènent à ce dopage, qui expliquent le dopage que nous vivons au niveau de la lutte. Maintenant, par rapport au combat truqué, il faut euh, voir que la lutte traditionnelle est quand même d'abord traditionnelle, mais c'est une compétition qui oppose des Nigériens. Or, nous savons qu'au Niger, nous sommes une famille. Nous sommes véritablement ah. une famille. Nous avons des relations familiales. Nous avons Donc, c'est ce qui explique euh, en partie le euh, les combats truqués C'est difficile qu'on amène, par exemple, un, monsieur à lutter euh, de manière euh, correcte avec son beau-père, par exemple. C'est toujours un jeu, c'est toujours un jeu. C'est un jeu. On doit amener euh, des règles qui puissent contraindre les gens à se départir des pesanteurs sociales pour lutter véritablement. Mais quand on va les laisser de leur propre chef, par exemple, un petit frère sera dérangé de terrasser son grand frère. Oh, il y a ces, choses-là dans la lutte. Maintenant, c'est à l'organisation de trouver des règles qui puissent amener les lutteurs... il est permis aux lutteurs de changer à tout moment euh, de région Oui, oui, c'est cela. Donc, il faut amener les lutteurs à sentir que l'enjeu du combat dépasse ma personne. L'enjeu du combat concerne peut-être l'équipe ou la région. En ce moment-là, euh, les présenteurs sociaux qui sont là seront négligés parce que bon, je vais lutter pas pour moi, mais pour d'autres, et je serai obligé d'aller au-delà. Ça, c'est pour les combats truqués. Maintenant, pour l'arbitrage, vous savez, les règles sont là. Les règles sont à appliquer. Les règles sont euh, données aux arbitres, aux officiels, qui sont des professionnels pour la plupart qui viennent de l'IFTI, euh, de, l'Institut de, de la jeunesse et de la culture, et qui sont formés avant les compétitions. Mais pour intégrer les règles, pour que le jugement puisse être naturel, instinctif chez l'arbitre, il faudrait de la compétition, il faudrait de l'exercice. Au, niveau des arbitres aussi, pour que ça soit que ça naturel, pour que ça soit naturel de juger, de voir les fautes, il faut que on soit euh, soumis à, une pratique régulière et constante. Or, nous avons un seul championnat qui se fait une fois l'année. Maintenant, nous avons également une organisation au niveau du jugement qui fait intervenir euh, au-delà de l'arbitre des commissions et même les autorités. À ce niveau, il faut réorganiser ce jugement-là pour que ça puisse véritablement répondre à, à, nos valeurs traditionnelles, mais aux obligations que euh, la lutte en tant que sport impose. Parce que quand on voit aujourd'hui un lutteur manquer de respect à un chef traditionnel, on, dit, on voit sous cet aspect-là que la lutte traditionnelle, au lieu de favoriser le développement, j'allais dire, de nos valeurs traditionnelles, est en train de saper quelque part ces valeurs-là. Donc c'est toutes ces réflexions-là qu'il faut mettre sur la table pour trouver des solutions qui puissent permettre euh, de faire en sorte que la lutte puisse répondre non seulement aux exigences sportive, mais euh, aux exigences également traditionnelles qu'elle porte. Merci beaucoup Ablaziz Isaka. Yannick Ousmane Kaita, allez-y. Bonjour euh, Mokhtar, bonjour à tous les auditeurs euh, du, studio Kalangou. Par rapport d'abord au phénomène de la consommation de stupéfiants par les lutteurs. Vous avez écouté les intervenants Oui, j'ai écouté les, réactions de Konni. Justement, je suis parfaitement d'accord avec ces, ces intervenantes. Moi, je dirais que quand même par rapport à ce problème, je dirais quand même que ce, phénomène est apparu dans nos arènes dans les années 2005, ah, précisément. c'est récent euh, Non, c'est récent parce que avant, on ne connaît pas ce genre de phénomène dans nos arènes. Si vous prenez à partir de 1980, puisque c'est à partir de cette date que réellement euh, le sabre est devenu ce qu'il est, eh, parce qu'avant, il n'y avait pas le, champion ne luttait pas. C'est-à-dire que euh, l'exemple de Cantu, s'il gagne le, sabre, donc euh, là, il vient, il s'assait jusqu'à la fin, jusqu'à la finale. Pour lutter. Pour connaître son adversaire. Mais il ne lutte pas. Mais les autres luttent, mais lui, non, il est exempté de tout combat jusqu'à la finale voyez Donc, c'est à partir de 1980, avec le, sacre de Salman Arani, paix à son âme de, de voilà, que tout a changé. Mais à partir de là, euh, ne connaît pas ce, ce, genre de phénomène de consommation de drogue parce que c'est vraiment euh, de la lutte propre. C'est de la lutte propre. Et tous ces gens, ça dit que là où tu peux peut-être euh, euh, reprocher à nos lutteurs à, dans ces, à cette époque-là, c'est peut-être le port des gris-gris ou des autres amulettes, tout ça là. Mais sinon, en termes de consommation. ça, ça, fait la beauté du jeu. Ça fait la beauté du jeu. Mais sinon, euh, parler de consommation de, stupéfiants autant de Kantou, Salma, euh, Kasuka Langalanga euh, ou euh, un certain pas Mahmoud Idi Komando, Bala Haruna, Badamasi Alassane, jusqu'à aller voilà avec les feux Haruna Abdou, euh, Omar Bindigaou, tout ça là assez assez à ces époques, non, non, il n'y a pas de consommation de, de, drogue. ils, ils, ne connaissent même pas ce, ce truc. Et ça n'est jamais venu à l'idée de consommer. Non, non, non. C'est des lutteurs qui sont très bien préparés physiquement, euh, techniquement, moralement. C'est eux, c'est surtout la préparation physique et, et, et peut-être occulte voyez, mais sinon, parler de la drogue, non, ils n'ont jamais connu ça, le genre de grands lutteurs que nous avons connus par le passé. Mais c'est après, euh, je crois que c'est dans les années 2005, 2006, il y a eu l'apparition de quelques lutteurs, euh, consommateurs de, drogue à l'époque, mais aujourd'hui, euh, qui n'ont pas fait long feu. Parce que là, tout lutteur qui, consomme de la drogue ne peut pas faire long feu. Parce que physiquement, ça, ça te diminue ça détruit. Et ça détruit l'organisme. Et même actuellement, moi j'ai vu un lutteur, même au sabre d'Agadez, je l'ai vu, j'ai dit, mais toi là, euh, ça fait pratiquement trois ans, et on ne te voit plus dans les arrêts. Il a dit, non, je suis là. Mais la façon dont je l'ai vu, moi j'ai dit que non, mais ce gars-là, il doit être malade. Il a complètement dépéri. Et quelqu'un me disait que non, mais le lutteur que tu posais des questions tout à l'heure, mais il ne fait que consommer de la drogue. Et c'est ça qui a fait en sorte que il a complètement maigri, il a perdu le poids, et, mais il ne peut plus lutter. Il ne peut plus parce qu'il n'a plus la force de lutter. Et c'est cette, euh, c'est ce phénomène, malgré qu'il y ait une commission antidopage dont je ne vois même pas l'intérêt maintenant. Parce que bon, euh, cette commission, elle est toujours Vous là. Vous ne voyez pas l'intérêt de la commission. Euh, moi, je ne vois pas l'intérêt de la commission antidopage, parce que certes, ils font des tris, pour euh, peut-être euh, un échantillon de deux ou trois lutteurs, mais au finish, il n'y a pas de résultat. On ne connaît pas, ils ne rendent jamais compte d'un quelconque résultat, ou, soit à la direction technique, ou soit même au bureau exécutif de la Fédération nigérienne de lutte. Et c'est là le, problème. Vous voyez Bon, maintenant, par rapport à l'autre euh, aspect. Les erreurs d'arbitrage. Bon, moi, je dis que cette année, depuis en tout cas l'arrivée de la nouvelle équipe euh, de la commission centrale de l'arbitrage nigérien qui est chapeautée par euh, Moustapha Yahya. Moi, je crois que euh, on a connu une amélioration cette année. Les avancées ont été Non, il y a eu des avancées cette année. C'était carrément, vraiment, il y a eu une évolution même. Parce que contrairement aux années précédentes où il y a vraiment des, des, des, petits problèmes, mais cette année, franchement, alhamdoulilah, on peut dire que vraiment... Euh, il y, a une sorte d'avancée et il est en train vraiment d'apporter du changement. Euh, le, nouveau président de la commission centrale des, arbitres et nous pensons que vraiment dans les années à venir les choses vont changer. Maintenant par rapport au combat truqué, et Ablazi tout à l'heure l'a dit, moi je crois que ça serait impossible d'arrêter Cet ouragan. Non, non, vous, êtes pessimiste là. Non, moi je suis pessimiste dans la mesure ou que aujourd'hui dire que euh, mettre fin à ce phénomène de combat truqué reviendra certainement à gâcher même la fête. Ah bon Ah oui. Comment ça Parce que là, ces lutteurs que vous voyez, eh, Mokhtar, ils ont des liens familiaux. C'est des lutteurs. Il y a aussi l'amitié entre certains. Il y a l'amitié, il y a la parenté, il y a aussi le mariage. C'est-à-dire, bon, mais, on peut pas citer la, la lutte, c'est avant tout un jeu. Oui, c'est un jeu, mais aussi qui a des intérêts. Parce que ah. là, aujourd'hui, Mokhtar, tu ne peux pas aujourd'hui lutter avec euh, un adversaire qui est ton beau-père. Ça serait difficile. Sinon, tu auras affaire à, euh, une fois rentré à la maison avec, <laughs> avec madame. <laughs> Pourquoi tu te terrasses mon oncle <laughs> ah, C'est ce qui explique en partie oui, euh, ces combats Mais bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Et puis, autre chose, Rapidement. maintenant, si tu prends le cas de Yakuba euh, euh, ou de Isaka Isaka, hmm, c'est deux lutteurs qui sont très respectés dans nos arènes. Ah, pourquoi Yakuba Adamou et Isaka Isaka. Euh, pourquoi Parce que d'abord, Yakuba, la majeure partie des lutteurs nigériens qui viennent de l'intérieur du pays, généralement, s'ils font escale à Niamey en partance, peut-être sur Abidjan, en Côte d'Ivoire, ils sont toujours hébergés hébergé, nourri. Prise en charge. Et, voilà, prise en charge complète par Il les prend en charge. Donc aujourd'hui, je ne peux pas te prendre en charge pendant un bon bout de temps et on se retrouve au sabre national et que tu vas me terrasser. Quand même, <laughs> il faut être reconnaissant dans la vie. Et, et, Isaac Isaka Isaac Isaka, c'est un tout. Il faut le reconnaître. Un, tout, un tout c'est-à-dire Moi, je... Isaac Isaka, en réalité, c'est un lutteur Donc aujourd'hui il jouit vraiment du respect, mais également euh, d'un certain nombre de choses de la part des autres tous lutteurs. Les, tous les autres lutteurs nigériens. Il y a un respect entre eux et de surcroît en plus, euh, Isaka Isaka, euh, en tout cas, c'est quelqu'un qui est généreux. Ah. envers il, donne. il donne envers ses adversaires de, de, tous les, de toutes les régions du Niger. Il n'y a, pas un, a pas un lutteur nigérien aujourd'hui qui ne bénéficie pas de, ses largesses de Isaka Isaka. Et c'est ça qui fait la force de Isaka Isaka. Isaka Isaka n'a pas besoin d'argent. Les millions là n'intéressent pas Isaka Isaka. Isaka Isaka, c'est les titres. C'est les titres. Il ne Uniquement que ces titres. Aujourd'hui, Isaka Isaka est capable de dire à, son adversaire l'argent là, les 3 millions ou 2 millions ou machin, prends-les. Moi, laisse-moi la coupe. Et le tour est joué. Et, le tour est joué. Et le tour est Isaka, c'est millionnaire. C'est millionnaire. Il est très bien assis financièrement, il n'a pas de problème. Vous voyez donc c'est ça qui fait la force de Isaka Isaka et c'est ça qui fait sa notoriété. Merci beaucoup Yannick Ousmane Kaita Isaka. Vous avez quelque chose à ajouter rapidement Ce que, j'allais ajouter, c'est que le terme même combat truqué au vu de la lutte traditionnelle, c'est galvaudé. Hmm. Combat arrangé, ah. Si est mieux. Mais truqué, euh, non combat on peut quand même lutter contre le phénomène. On peut lutter contre le phénomène. Par exemple, je le disais tout à l'heure, il faut, mettre des enjeux qui dépassent le lutteur. Si aujourd'hui, on sait qu'à à la fin de la compétition, euh, le champion gagne 10 millions. Mais l'équipe gagne combien La région qui est classée euh, première gagne ah, combien Vous voulez dire qu'il faut augmenter aussi euh, au niveau de la pactole euh, en ce qui concerne la région Si autant que, autant que le, le lutteur champion, la région gagne 10 millions, soyez-en sûr qu'aucun lutteur ne va se laisser terrasser facilement parce que l'enjeu dépasse le lutteur. C'est le groupe qui est maintenant concerné, même si c'est ton beau-père, tu lui diras, cette relation, c'est entre nous, <laughs> mais la relation qui m'engage également avec la région est beaucoup plus importante. Je pense que c'est un des facteurs qui va permettre de lutter contre ce phénomène de combat. Merci beaucoup, Abladil Saka. Adam Soumana, vous êtes euh, le directeur technique euh, national de la euh, lutte traditionnelle et membre de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle Lutte. Le principe de compétition dans la lutte simple est basé sur un affrontement physique et technique en corps à corps entre deux athlètes cherchant chacun à envoyer l'adversaire au sol en utilisant des techniques de préhension, de percussion et de déséquilibre qui engagent tout le corps. Comment expliquer un combat truqué dans un tel contexte ben C'est clair. Vous avez entendu le grand frère Yannick et Ablaziz lui lui dire. C'est l'aspect même de, de, la lutte traditionnelle qui est difficile de, à juger. Malheureusement, vous savez, chez nous, il faut retourner au social. Chez nous, nous sommes des Africains, nous avons une culture autre que la culture moderne. Et vraiment, chez nous, il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas piétiner et partir de l'avant de par rapport à ça. Tu ne peux pas lutter contre ton oncle face à toi et dire le terrasser publiquement. C'est difficile, c'est difficile, mais cela n'empêche, comme l'a dit Ablaziz, de prendre un certain nombre de dispositions en rehaussant par à l'enveloppe de l'équipe et en insistant sur la sanction. Le code est là, il a tout réglé. Si je, bonne mémoire, je vais parler sous la coupe du grand frère Yannick, ça fait des années et des années que nous sanctionnons des, des, lutteurs par rapport au combat turc. Malheureusement, l'année prochaine, vous les, vous revoyez sur le, le phénomène persiste. non, vous, les voyez les mêmes lutteurs sanctionnés de l'ère de combat, malheureusement. La sanction n'y va pas jusqu'au bout en respectant le code. Selon vous, il faut sévèrement sanctionner. Il faut sévèrement sanctionner. Une sanction, c'est une sanction. Il faut respecter le code. Si on respecte le code, on sanctionne. Si c'est un an, deux ans, on les respecte. Il n'est pas question qui que tu sois quel que soit ton titre, quelle que soit ta valeur de l'ère de combat, quand tu es sanctionné par rapport à un combat, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et de l'autre côté, comme l'a dit Ablaziz, il suffit de prendre un certain nombre de dispositions pour motiver davantage les équipes. Et vous verrez que ça va marcher, je vous assure. Ça va marcher. Mais malheureusement, il y a toujours des négociations où dès qu'on revient du sabre, on a, sanctionné un tel, on a sanctionné un tel. Les gens se transportent, ils viennent à Niamey, négociations à la fédération, au ministère, pour arriver à, retirer la sanction. Et nous voyons toujours les mêmes qui viennent. Mais ils, ont, en ont la, conscience dans la tête. Ils sont conscients de ça. Ils savent que même si on les fait souvent, la sanction ne va nulle part. On va le faire, on va les sanctionner, mais nous allons revenir. Il faut qu'on prenne des dispositions réglementaires et respecter le code. Si on veut que ça marche. Sinon, ça ne peut pas s'arrêter. Malheureusement. Alors, Adam Soumana, la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle dispose à son sein d'une commission de combat truqué, Abdelaziz Saka l'a rappelé et tout de suite. Comment déceler euh, un combat truqué dans l'arène Vous savez, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Souvent, la détection même de combats truqués dont vous êtes là, et les, jurys, même les membres du jury qui sont là, souvent tiennent compte des, supporters et des spectateurs qui sont là. C'est l'esprit qui les attire. Sinon, c'est difficile de déceler. de déceler et de juger au fond un combat truqué. Mais malheureusement, souvent, vous savez, c'est le lutteur qui donne cette impression, malheureusement. Il y a des combats où vous ne pouvez pas regarder en quelques secondes, en deux minutes, vous voyez comment un lutteur, il va de lui-même. Il se donne de lui-même à corps et va lui-même franchir le, le sol. C'est dangereux. C'est dangereux. Il faudrait que vraiment on prenne des dispositions pour arrêter cette euh, histoire de, de combat truqué. Et le combat truqué, comme l'a dit le terme est lourd comme combat truqué. Il faut chercher un terme. Comme euh, combat un, terme, voilà, un terme vraiment plus souple que ça, qui ne dénature pas la lutte, au fond. Mais vraiment, il faut respecter le code. Il faut s'en au code et prendre un certain nombre de mesures de motivation et vous verrez que ça va aller. Merci beaucoup à vous trois. On a servi une courte pause. Adam Soumana, au Niger, les combats retransmis en direct par les médias publics nigériens sont suivis par des milliers d'auditeurs et téléspectateurs. Comment la lutte aborde-t-elle le problème d'arbitrage Vous savez, le problème d'arbitrage dont vous dites, je, je l'ai rappelé tantôt, les arbitres, c'est des humains. L'être humain commet toujours des erreurs. Et je vous assure, ils font de leur mieux. Parce que chaque année, on fait des statistiques. Si vous voyez sur euh, il y a toujours des avancées. Chaque année, il y a des 16 combats dont les entraîneurs des régions, là, dont les entraîneurs viennent déposer leurs réclamations. Sur les 16, à peine, à peine 2, 3, 4 vont en faveur des entraîneurs. La majorité des cas, quand on va les juger, c'est les arbitres qui ont raison. Et c'est difficile. Tu sais, souvent, c'est l'histoire d'arbitrage là. <laughs> Ça, ça, dépasse la direction technique nationale, ça dépasse la fédération, ça dépasse même souvent nos autorités. Et toute cette histoire-là, souvent, la pagaille, là, c'est au niveau des ligues, au niveau des membres des ligues, souvent. Vous voyez souvent l'entraîneur de région qui, dont lui seul est capable de le code. Lui seul est capable de le code de porter réclamation. L'entraîneur, lui seul. Vous allez voir le président des ligues accompagné de son adjoint et un certain nombre de personnes venir nous taper la table au niveau de la, au niveau du sabre. Venir nous taper, nous menacer. Il y a même des gens qui nous insultent à cause de ça. Mais ce n'est pas normal. Quand il y a un problème, laisser l'entraîneur. Souvent, les entraîneurs sont même influencés. On leur donne même des instructions pour amener des réclamations. C'est normal que ça échoue. Souvent, même la formulation des réclamations font problème. Donc, ça ne peut pas aller. Il faut laisser l'entraîneur faire son travail. S'il y a quoi que ce soit, la table technique est là. Elle transmet au jury. Le jury, il va. Il vient donner son verdict. Si ça dépasse le jury, comme l'a dit Yannick, et le comité ad hoc Donc les décisions sont irréversibles. Dès que quand ils rentrent dans la décision, c'est fini, il n'y a rien à faire. On doit en tenir compte et c'est comme ça. Mais tous ces procès-là souvent sont balayés par des gens venus de on ne sait où pour venir s'aimer la pagaille et, et, capoter les choses. Si on s'en tient au code, on n'aura jamais de problème. Donc il faudra que les, uns et les autres prennent, prennent ces problèmes-là à bras le corps pour que nous puissions euh, vraiment euh, faire un travail propre au niveau de la direction technique nationale et au niveau de la table technique. En dehors du respect euh, du code Adam Soumana, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre pour définitivement mettre fin aux erreurs d'arbitrage, aux combats truqués et même le dopage Bon, ce n'est pas facile, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas au niveau de la lutte seulement. Au niveau de toutes les disciplines mondiales, l'arbitre, l'arbitre c'est un être humain ne peut pas dire que l'arbitre ne peut pas commettre des erreurs à chaque fois, mais on peut les circonscrire. On peut complètement les circonscrire pour que ça soit euh, léger et moindre. Et c'est ce que nous sommes en train de, faire. Vous avez vu, comme l'a dit Yannick euh, récemment au sabre d'Agadez, avant de partir au niveau de la direction technique, nous avions pris des dispositions très fortes. Et vous avez vu la réponse qu'a donné le, le, président de la commission centrale, le nouveau président de la commission centrale des arbitres. Vous avez vu le travail qui a été abattu. Donc ça veut dire que les avancées C'est parce qu'il y a des avancées, c'est parce que d'autres nouvelles dispositions sont en train de prendre, d'autres réglementations sont en train d'être prises pour que cela, à 99%, et euh, le, que le travail euh, des arbitres là soit très bon. Donc vous avez vu le travail de, la commission des arbitres. Et les gens, c'est que les gens ne savent pas, les arbitres là sont sanctionnés. Ah, à leur tour. Nous, sommes, nous avons une commission. La commission, c'est partout. Toutes les différentes de commissions centrales des arbitres. La commission de arbitres, on sanctionne les arbitres. Si vous voyez un arbitre qui commet une, erreur qu'il ne doit pas commettre, Au niveau même du sable, il peut faire deux jours, 72 heures sans être euh, sans, arbitrer. Les gens ne le savent pas. Mais nous prenons des dispositions, le prennent, ils prennent des dispositions, ils écrit, nous ramènent à la table technique, on signe, on confirme. On les sanctionne chaque fois. Et ça, ça les interpelle et ça leur permet de se concentrer davantage pour faire du bon boulot. Merci beaucoup, Adam Soumana, directeur technique national de la lutte traditionnelle, Yannick Ousmane kaita Le sabre national ou lutte traditionnelle est devenu aujourd'hui la plus emblématique manifestation culturelle et sportive du Niger. Quelles sont les conséquences de tous ces aspects-là Le combat truqué, le dopage et même les erreurs d'arbitrage pour la lutte traditionnelle Bon, moi je dirais quand même par rapport. Euh, à l'arbitrage, comme l'a dit tout à l'heure le DTN Adam Soumana. Moi, je crois que c'est, comme il l'a dit, c'est des, humains. Oui, mais, des humains, les conséquences pour la lutte. Oui, bon, il y a des conséquences, euh, certes, mais il faut aussi comprendre ces arbitres parce que vous n'êtes pas sans savoir que à chaque édition du sabre national, ça veut que c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes, il n'y a aucun changement. Et donc, ils sont ça veut par les lutteurs des huit régions du Niger, les 80 lutteurs là, et les répertorie les noms des, arbitres un à un. On les amène, on amène leur nom chez les marabouts. <laughs> Vous voyez Donc on les travaille. On les travaille. Sur le plan mystique. Sur le plan mystique. Généralement, ça dit qu'il n'y a pas un seul arbitre qui ne met pas en tout cas une somme aussi colossale pour se préparer avant le sabre. Il met tous les moyens nécessaires pour, vraiment. Pour, être clean, pour être. Voilà, euh, non, pour être euh, vraiment, pour mettre une sorte de barrière entre <laughs> lui, et les lutteurs. Mais sinon, ils sont chaque, à, chaque, à chaque fois, c'est des, des gens qui sont répertoriés et qui ne sont pas à l'abri de toute attaque mystique. Et c'est ça, généralement, c'est-à-dire qu'ils euh, peuvent, il y a des choses, comme l'a dit tout à l'heure euh, le détenu Adam Soumana, il y a des erreurs qui peuvent, euh, qui peuvent être commises, mais c'est... Il n'y a, pas de corruption à ce niveau Non, il n'y a, aucune... corruption. Aucune corruption. D'ailleurs même, les arbitres sont les plus mal chaussés, comme dirait l'autre. C'est-à-dire qu'ils ne bénéficient pas autant de moyens que d'autres machins, que d'autres acteurs voyez, parce que toujours, c'est des hommes euh, misérables qu'on leur donne. Et ce qui n'est pas normal. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner à un arbitre Ils sont aussi minables, aussi misérables, dérisoires, dérisoires que certains autres euh, acteurs. Parce qu'aujourd'hui, un arbitre, normalement, normalement parce qu'ils ont besoin de la préparation mystique. Parce que là, ils sont plus exposés que n'importe qui. Avant, le, championnat. Avant le championnat, ils sont exposés plus que n'importe qui. Parce que c'est eux qui prennent tous les coups les Yassine, les, autres machins, tout ça là. Parce que, vous voyez, dans les arènes, parfois on, découvre même euh, beaucoup de choses mystiques qu'un être humain ne peut jamais imaginer cela. Alors moi, je dirais aujourd'hui, même un arbitre, 500 000 francs, moi je dis que même c'est peu. C'est dérisoire. Je parle sous le contrôle du DTM. Oui, oui, oui, après, moi, je crois que c'est 150 000 ou bien, je ne sais pas, c'est 200 000 c'est 250 000. Oui, mais quelles sont les conséquences euh, des combats truqués ou bien des combats arrangés Sak préfère le terme combat arrangé pour la lutte, quelles sont ses conséquences Est-ce que ça ne, donne, ça donne pas un goût amer Oui, ça donne un goût amer parce que là, je dirais même que ça, dérange trop même la direction technique nationale. Parce que aujourd'hui, bon, c'est vrai que nous sommes euh, avec les compétitions internationales. Parce que là, ça, remet carrément tout en branle parce que ça ne permet pas euh, ni à la direction technique nationale, ni aux trois entraîneurs nationaux de faire un bon choix. Parce que euh, un lutteur euh, techniquement, physiquement, moralement diminué ne peut pas répondre. Il ne peut pas représenter le Niger. il ne peut euh, pas répondre, donc il ne peut pas représenter carrément le, Niger. Et chaque fois, on a ce genre de problème face au, Sénégal. Vous voyez, à chaque fois qu'on se retrouve face aux Sénégalais, ces gens n'hésitent pas à nous humilier. Et c'est ce qui fait en sorte que malgré qu'on organise chaque année le sabre national avec 80 lutteurs, euh, je crois il y a au moins 100, 140 ou 150 combats, je ne sais pas, euh, sur les 9 jours, vous voyez, la version technique euh, ou même l'encarrement l'encadrement technique ne peut pas quand même déceler les, valeurs sûres qui peuvent vraiment dignement représenter notre pays, soit au Tolac ou bien à un autre championnat. Bientôt, je crois, il y aura un championnat de best wrestling, je crois ça serait à Dakar. Vous voyez, actuellement, ils sont là-dessus pour vraiment voir euh, qui, est Les, voilà, meilleurs talents. Voilà, les meilleurs talents, parce que bientôt ils seront à Dakar, euh, le Niger sera à Dakar. Et, là, je crois que c'est une autre paire de manches, parce que là, il faut aussi avoir de très bons lutteurs capables de nous représenter. Merci beaucoup Yannick Ousmane Kaita, Abladi Saka. Au Niger, le sabre national est un rendez-vous annuel très attendu par euh, des milliers d'amateurs. Euh, quels sont les autres comportements à éviter pouvant compromettre la beauté de ces sports rois nigériens Déjà, ces trois choses que nous avons citées, si on travaille de manière euh, efficace, les combats arrangés, les, erreurs d'arbitrage, le, le, système d'arbitrage et le dopage. Parce que quand il n'y a pas de dopage, on est sûr qu'au sortir des compétitions, on a des lutteurs qui ont une force physique, une valeur physique sûre pour des compétitions à venir, notamment internationales. tout à l'heure, le directeur technique a euh, quand même parlé des interventions au niveau de l'arène. Oui, je vais en venir. En réalité, euh, le problème euh, de l'arbitrage, c'est même le code qui le porte. C'est même l'organisation. En réalité, si vous regardez, à la lutte, l'arbitre n'a pas de pouvoir. L'arbitre n'a de pouvoir que d'engager le combat, de donner euh, la victoire, mais de sanctionner quand le lutteur ne lutte pas. C'est le ah, seul c'est la seule appréciation qui est laissée aux soins de l'arbitre. Puisqu'on dit quand il y a chute, la décision de l'arbitre peut être contestée. Donc là, le pouvoir de l'arbitre a été retiré, a été retiré même à donner la victoire. Maintenant, c'est l'organisation que nous faisons. Puisque quand l'arbitre décide que le, lutteur est tombé, il a la possibilité de faire appel, de faire recours. Et la heureusement, le Niger est un des premiers pays qui a commencé ce système-là, avant même que ça n'arrive au football. Nous, nous l'avons euh, expérimenté. Euh, expérimenté. Et ça donne des, résultats concluants. Ça donne des résultats. Maintenant, il y a un deuxième niveau de jugement. Il faut qu'on s'en tienne à ces deux niveaux-là et qu'on donne... Les réclamations, le comité ad hoc Qu'on n'aille même pas au comité ad hoc. C'est-à-dire que quand l'arbitre décide que le lutteur est tombé, on a donné la possibilité à la région de contester le résultat. Maintenant, il y a, un, il y a une réclamation, donc le, euh, le comité jury va aller observer et venir donner le résultat quand le comité va voir à la télé quelque chose qui peut être vérifié, qui peut être montré à tout le monde, je pense qu'on peut s'arrêter à ce niveau et donner beaucoup plus de responsabilité aux arbitres. Maintenant, on vient à nos autorités et on permet à des lutteurs de manquer de respect à des autorités. On permet à des lutteurs d'insulter des autorités et de manquer même de respect à tout un pays. Parce que quand un lutteur se présente dans l'arène pour insulter tout un pays, c'est extrêmement grave. Et tout ça là, c'est parce qu'on n'a pas donné suffisamment d'autorité aux arbitres. Puisque dans toutes les disciplines au monde, en réalité, le jugement. Un jugement ne peut être dénoué de, toute euh, subjectivité. C'est pas possible. On peut sentir des, subjectivités dedans, mais comme c'est la règle, on s'en tient à la règle. Ablazi ah, Disaka, à présent, les journalistes sportifs que vous êtes sont-ils mieux représentés au niveau de toutes ces commissions, commission d'idéopage, commission au euh, combat truqué Absolument. Je pense que euh, les journalistes sportifs sont représentés en raison de deux, je crois, euh, journalistes euh, du privé et un journaliste du public, au niveau de l'organisation de la lutte. Mais je pense que c'est pas suffisant. Les journalistes doivent être mieux impliqués dans l'organisation de la lutte, puisque en réalité, le gros du travail au niveau de la lutte, c'est les journalistes, qui le font. Parce qu'on peut organiser la lutte. Le directeur technique a pris bonne note. Bien sûr, on peut organiser la lutte dans une région si ça n'a pas été suffisamment relayé par les médias pour que ça atteigne toutes les régions, mais toutes les populations. Il faut voir les réactions suscitées par euh, la dernière coupe du mhm. président Azander. Euh, les gens n'étaient pas très bien contents. Euh, parce, que, ça n'a pas été C'est une compétition qui est restée dans la région de Zender. Or, c'est une compétition qui est attendue de tout le peuple euh, du Niger. Et il y a bientôt une compétition qui sera organisée même dans le cadre de la promotion de la lutte au niveau de la RTN. Mais je voudrais également dire, je voudrais également dire qu'au niveau de la Fédération nigérienne de football, on doit eh, de lutte traditionnelle, <laughs> on doit faire très attention. On doit savoir dissocier la lutte traditionnelle qui est euh, une organisation propre à nous pour promouvoir un bien des valeurs d'unité, pour promouvoir des valeurs sociales, des cohésion sociale. Et la compétition et la valeur des lutteurs à part. On ne peut pas tout remettre sur le dos du sabre national. Le sabre national ne peut pas permettre au Niger de développer la discipline lutte. Le développement de la discipline lutte là doit venir à part. Et surtout que la lutte a plusieurs disciplines en son sein. Mais en réalité, nous ne travaillons que sur la lutte traditionnelle. Par exemple, quand on parle de lutte libre et lutte africaine, nos lutteurs ont des difficultés parce qu'au Niger, ils ne travaillent que sur, la, la, lutte traditionnelle. De, lutte traditionnelle pour le sabre national, qui c'est règle à part. Donc la fédération doit mieux s'organiser pour organiser des compétitions de toutes les disciplines de cette lutte-là, pour mieux valoriser la discipline lutte au Niger, mais comme c'est le rôle du ministère et de l'État, d'accompagner également la pratique et le développement de la lutte traditionnelle, mais à part. Merci beaucoup Ablazi Saka. Monsieur le directeur technique Adam Soumana, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour une meilleure promotion et une meilleure organisation de la lutte traditionnelle pour les éditions à venir au Niger rapidement. Euh, en une minute. Mais quand même, euh, je vais prendre au moins 20 secondes. Oui, allez-y. Pour aller dans le sens de Ablaziz. Oui, allez-y. On a fait récemment un débat au niveau de la RTL avec le grand frère Kodo et ceux qui ont, pu suivre ce débat-là ont vu la programmation que j'ai faite par rapport à ça. Là. Et c'est ça le travail, heureusement, euh, de la Direction technique nationale. Nous avons décidé, en prenant notre fonction, de prendre nos responsabilités pour aller dans ce sens nous avons des multiples luttes au niveau de la, de, Fédération nigérienne et au niveau africain. Donc il faut que le Niger soit à 100% dedans. Et récemment, nous allons partir par Westring, la lutte de la plage que nous ne connaissons pas. Nous avons insisté pour qu'on envoie deux athlètes au moins pour que nous puissions participer et maîtriser un peu le règlement et continuer dans ce sens. Et amener nos jeunes dans la formation, amener nos jeunes à aller au niveau de la lutte libre, amener nos jeunes à aller à la compétition africaine. Il faut que le Niger soit au top par rapport à ça. Merci. C'est une question de moyens. Merci beaucoup. Nous sommes au terme euh, de ce forum de Studio Kalangou. Ce qu'il faut retenir à l'issue des échanges, euh, c'est que malgré les quelques difficultés constatées euh, ces dernières années dans l'organisation et le déroulement des éditions du championnat national de lutte traditionnelle, des progrès ont été réalisés, des avancées ont été enregistrées, tendant à améliorer davantage ce sport roi, vecteur de cohésion et d'unité nationale. Euh, merci à nos invités, Adam Soumana, directeur technique national de la lutte traditionnelle à la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle FENULUT, Yannick Ousuman Keita, journaliste sportif, consultant et spécialiste euh, de lutte traditionnelle, et Abdelaziz Issaka, journaliste sportif à la RTN, la radio-télévision du Niger. Euh, merci aussi à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique assurée par Amina Hassan. À bientôt. Au revoir.